ça va, tu vas bien Ça va et toi Ouais, c'est bon, c'est comme ça en fait. Aujourd'hui, les jeunes qui kiffent cette émission, ils vont savoir tout sur Rakiat. Rakiat, parlons de l'artiste. Qui se cache derrière Rakiat Bah, Rakiat, c'est moi, tout simplement. Ok, d'accord. Artiste nigérienne alors, euh, je suis née au Niger. Née au Niger euh, Oui, Tawa. Ok, Tawa. ouais. Ensuite, j'ai été euh, mis en orphelinat à Niamey. Mhm. et ensuite, j'ai été adoptée par une famille française à trois mois à trois mois. On va donc parler de tes origines sur cette émission. Euh, certainement, ils sont nombreux qui nous kiffent depuis Tawa. Tawa, c'est la capitale de l'ADR. Tu parles de langue du Niger Je parle aucune langue, mais je Tu ne parles pas le Hausa euh, Non. Si je, te dis Inakwana, tu n'as. Non, je parle que. Inakwana, ça veut dire bonjour. Alors répète avec moi Inakwana. Inakwana. <laughs> Super. Alors on va parler bien évidemment de requêtes à l'état civil. Euh, à l'état civil, je m'appelle Anaïs quoi. Ok. C'est le nom Anaïs qui m'a été donné quand je suis arrivé en France. Ok. Et euh, je suis né le 7 novembre 95 à 23h05. Ok. Ottawa. Ottawa. un mercredi. Un mercredi, super. Alors, euh, Rakia, euh, pourquoi Rakia Rakia, en fait, c'est le nom de ma naissance, c'est le nom qu'on m'avait donné à la naissance. Ah, d'accord. Et ensuite, quand j'ai été adoptée, mes parents ont changé mon prénom de Rakia en Anaïs pour que je m'intègre en France. Et donc voilà, et j'ai repris le prénom Rakia pour faire ma musique parce que dans ma musique, je parle beaucoup de mes racines, je cherche mes racines que je ne connais pas. Donc du Anaïs à Rakiat. Voilà. Le nom artistique, c'est Rakiat, le nom qu'on t'a donné à la naissance. Ouais. Super. Alors, on va parler un peu de tes débuts, on va parler un peu de cette musique, on va parler bien évidemment de tes œuvres artistiques sur cette émission. Mhm. Quand est-ce que ça a commencé véritablement, la musique chez toi euh, Quand j'avais 4 ou 5 ans, j'ai commencé à faire de la guitare. 4 ou 5 ans Ouais. Et tu as débarqué en France euh, déjà à l'âge de 3 ans À 3 mois à l'âge de 3 mois. Oui, 3 mois. Super. Mes parents adoptifs m'ont inscrite euh, à l'école de musique. Ah, ok, d'accord, super. Euh, et à partir de cet instant, tu te rappelles un peu de tes premiers flots quand tu avais 4 ans euh, non, je sais juste que j'étais dans une toute petite ville mhm. qui s'appelle Flair, Flair, en Normandie. Ok. Il n'y avait pas beaucoup de personnes noires, etc. Ok. Et je me souviens juste que j'ai commencé la musique parce que je sais pas, ça me plaisait de chanter, de de faire de la guitare et c'était me donner de la force. La force, et le courage et l'énergie. Ouais. Super. Alors, Kat, euh, parlons un peu de, tes origines, euh, du sens inverse de l'artiste. Ouais, en fait, euh, j'ai été donc adoptée. ok Et j'ai été élevée par une famille française. ok Donc j'ai été complètement assimilée à la culture française, tu mhm. vois et j'avais aucune personne noire autour de moi, etc. Donc j'ai un peu subi du racisme quand j'étais euh, à l'école, etc. J'ai toujours cherché mes origines d'une certaine manière, tu vois, euh, je suis Touareg, mhm. et euh, j'ai toujours les Touareg jouent de la guitare, tu Bien sûr, ah, ça c'est vrai, tu as, <laughs> tu, as, on dit, la musique dans le sang. Ton genre musical, Rakia C'est de la chanson française, avec des touches électroniques et afro. En fait, j'essaye de mélanger l'Afrique et l'Europe avec ma musique, et voilà. D'accord Parlons un peu du parcours en question de la combattante. Ouais, j'ai commencé euh, vers 4 euh, ans à jouer de la guitare. Ok. Euh, parce que mes parents adoptifs m'ont inscrit à l'école de, musique dans ma ville. Okay. Je viens d'une toute petite ville en Normandie qui s'appelle Flers, Flair. où il y a vraiment que, tu vois, c'est que des champs, des champs et des vaches. Ok. Et du coup, j'ai grandi là-bas, dans la campagne. Ok. On, dit dans, un petit bled aussi. On dit ça en France. Ouais, bien sûr, dans un petit bled. J'ai grandi dans un petit bled. Ok. Et j'ai commencé la guitare donc vers 4 5 ans, euh, enfin plutôt 4. Et euh, ensuite j'ai commencé à écrire des chansons euh, à l'adolescence. En fait j'ai toujours écrit plus ou moins des chansons, même quand j'étais petite j'écrivais des chansons, tu vois. Mhm. Mais je, prenais pas ça au sérieux. Et puis tu vois, comme je viens de la campagne, je pensais que c'était impossible de réussir dans la musique en venant de la campagne. Mhm. Et du coup j'ai commencé à faire des chansons vraiment sérieusement en 2015. 2015. Ouais, quand j'ai commencé à faire des concerts, des premières parties d'artistes comme Ayo ou Imani ou euh, Yael donc tout a commencé véritablement pour toi en 2015. Ouais, Tu as resté ton premier single en quelle année euh, le premier single, il est sorti euh, là euh, cette année. Cette année. Ouais. 2015, tu te rappelles de tes premiers flots Mes de premiers ta Première scène. ouais. Et je, et C'était quoi ta première scène C'était au Cargo à Caen. Au Ouais. C'est où Carouacan Le Car c'est une ville euh, en Normandie, c'est la grosse ville, euh, tu vois, qui doit faire 200 euh, 000 habitants. Mhm. Et le Cargo, c'est une salle de concert où il y a plein d'artistes connus qui passent. Ok. Et moi, je faisais les premières parties des artistes connus, en fait. Retour donc à la racine, comme on dit, parlons un peu de ça, parce que à travers déjà des interviews, n'est-ce sur ta page Facebook, nous avons eh, constaté un certain nombre de choses. Alors, comment est-ce que tu comptes faire Comment est-ce que tu comptes tourner au bled, on dit, c'est quoi ta stratégie Bah en fait, euh, la musique, ça m'a permis de me retrouver euh, en tant que personne noire, tu vois. Uh-huh. Dans ma musique, quand je joue de la musique, c'est très vite rythmé. Je tape sur ma guitare, etc. Uh-huh. Par exemple, j'ai un morceau qui s'appelle Ma prière, sur lequel je frappe sur ma guitare. Uh-huh. En fait, la musique traduit mon africanité. Et euh, j'ai jamais été en Afrique et je rêve d'y aller. Et ça s'est pas fait parce que avant j'étais en études, après je faisais des concerts et puis tu sais, j'ai un peu comment dire euh, peur d'y aller parce que je sais que ça peut être magnifique hein et aussi euh, que ça peut être terrible l'Afrique. Bien sûr. Et euh, du coup, j'ai jamais eu l'audace d'y aller toute seule et je connais personne là-bas. Ok. Donc du coup, pour l'instant, je suis jamais allé en Afrique, mais je sais que ma musique parle au Nigériens hein et même aux Africains en général. Je reçois beaucoup de messages. merci d'ailleurs pour tous vos messages. Bien sûr. Est-ce que Rakia a un message à l'endroit de la jeunesse nigérienne Un dernier mot de tout ce qui kiffe cette émission. Bah surtout, n'abandonnez jamais quand vous avez rêves. Quand vous avez un souci, essayez de trouver la racine du mal. Et c'est là qu'on trouve les solutions et la force qui donne envie d'aller de l'avant, de créer des choses et de devenir soi-même. Tout simplement. Ainsi parle Rakia. C'était la machine. Et